mais mais bon bah may mais moi il y a quelque chose de papier ça euh, que j'ai repris en Afrique mais que euh, avec certains sont venus en France ici pour faire du lobbying pour Gaï, Malène de Glou, et surtout faire du lobbying auprès des médias français c'est mais ce qui, est, qui inadmissible quand même. Mais en France, il y a des cadres, il y a des, il y a des gens, mais comment se fait-il que nous, nous, nous, nous, et, et, et nous, au nous, nous, Finec, c'est comme si, franchement, ceux qui sont là ne sont pas Et puis, et puis la réalité, la réalité, il n'y a, aucun responsable de la paire France, commencer discours dans les médias euh, français, même, même nous, ça. Euh, ben, euh, peut-être que le premier invité qu'on vient d'avoir ici cette année, c'est Emile Hein non, Emile ça, ah, euh, Non, mais il a une fonction parce que non Hamga, euh, euh, ah, nga euh, là. Ah, mais mais Emile avant avant ñu franchement on l'a dit hein, quand le bateau coule les rats quittent le navire ñu bari merci. mais la réalité la réalité. les rats n'ont même pas quitté le navire. la réalité la réalité Emile bon on fait un peu entorse à notre débat mais la réalité. c'est qu'en France. Mais c'est une calamité, hein? parce qu'avec tout ce que Macky Sall a fait pour ces gens-là ici, Mylène a possibilité de sortir certains de, de, de, de, la précarité. Moi, il y a un responsable de l'APR au, au début, n'est-ce pas, de la gestion du pouvoir de Macky Sall. De là, tu sais que Macky Sall, euh, euh, il, n'a pris que des cas sociaux pour me placer là quoi donc tey mun nañu ne Macky Sall génne na ñu bari ci situation yu metti mais que mu nekk di rencontrer des difficultés mais aucun responsable il y a des anciens députés des nouveaux députés wala comme ça des DG dégguñu ci dara dara dara dara dara mais vous pensez que mais c'est normal qu'un journaliste qui vit avec ces gens-là mu xam leen mu mu mu ci l'attention c'est ce que Khali a fait c'est ce que moi j'avais fait l'autre jour n'est-ce pas Émile <laughs> Mais, hein? muy dugal ah. mais mais mais non mën Mounenko, ko mën nañ ko nañ ko ah. épargner parce que mon portefeuille bi mieux, étudiant, étudiants yi bëri nañ problème de tellement que mën na a am jot mais yéen responsable mais non yéen responsable non non oui vas-y responsable c'est-à-dire que Macky a tout fait pour eux. Macky Sall, oh, combien il, a, il avait un bilan défendable ici, Il les a, certains, il les a tous casés. Mais voilà, aujourd'hui, c'est la condescendance. Moi, Sénégalais, ils ont vomi Macky Sall. Le rapport avec les Sénégalais. Quand j'entends, par exemple, un Amour Taladaf dire que voilà, cette presse-là, je ne vais même pas raconter l'histoire ici. Parce que si je raconte l'histoire ici, c'est donner une importance à ces propos. Mais ces gens-là, ils ont même participé à enfoncer le parti ici, la paire, ici en France. Certains responsables, bien war nañu les mettre en avant comme les Émile Bachoum, les Abdou Fleur les Ibrahim Dia qui étaient partis. du on les a combattus ils ont ramené des condottieri des aventuriers ils sont là que pour la panse absent poste c'est ça la réalité ñu mais lolu réalité Abdou la motax responsable club de la presse parce que nous Sénégalais journalistes nous connaissons la sociologie sénégalaise ça va leur indisposer ils préfèrent aller payer 3000 euros ou 2000 euros dans des télévisions de blanc là pour raconter des sonnettes, des histoires pour qu'on les écoute mais il faut qu'ils sachent que c'est le peuple qui est souverain qu'il aillent voir Bill Clinton qu'il aille voir euh, Emmanuel Macron, ce sont les Sénégalais. C'est ça maintenant la réalité actuelle. C'est le peuple qui décide, c'est les Sénégalais qui décident. Et le jour où le peuple se lèvera pour décider, toutes ces grandes puissances où ils vont jouer le lobbying là, ils vont se plier à la décision des Sénégalais. Il faut que nous sachions Il faut que nous sachions Il faut que l'on apprenne à se respecter. Nous, Sénégalais, nous sommes nous sommes nous C'est nous sommes nous sommes nous sommes xam ñu ñoom yor xaliss bi ba ci opposition bi ils préfèrent payer 1200 ou mille euros ou 4000 euros pour raconter 2000 minutes sur des chaînes ou les nous dañu ko dañu mais da nga ñëw sax ñun suñu meeting yi yenn saa da nga leen ñaan ndox ak kii ndox sax duñ la ko may ndox sax amuñu ko. man d'accord ma ci ak li ngay wax ah, vraiment. mais si euh, yow actuellement ya nga def. Émile ya nga def mon pro. Émile pardon on fait un peu parce que de manière on va faire. mais quand même su ngeen ko defee. man man euh, le dernier meeting de duggal Cheikh Agne De, de de de du nga duggal Cheikh Agne mais voilà, may dugg le meeting de Cheikh euh, Omar Anne waaw j'étais là-bas quand même bu ma je connais bien terrain te mun naa ne fii amul ku ku ma gën xam terrain mi je peux me targuer de le dire yaa ngi dégg euh, après euh, lépp laa xam si moom ñoom pratiquement mais ce jour-là même le et puis c'est pas n'importe qui hein. c'est Demba Sow moo micro microcentral il y avait un groupe de journalistes du fa Comment xam la présenté. Mhm. Adamo. oui Adamo la présenté. bien sûr. ce compte de Thierry là il a été même le porte-parole ce jour là ici. Adamo l'a présenté. mais bien sûr. Ah. Et euh, euh, ils l'ont logé, dans, une, euh, place là. alors que, les, gens se sont battus pour les sortir de l'anonymat ici. Bon, je, je le dis, en connaissance de cause. Docteur. Donc oui, je, termine. Mais donc cela veut dire qu'aujourd'hui, nous, noire, quand même on n'est pas de Maquis ou de, de, qui, mais euh, on veut voir quand même des. et puis ce qui montre nettement qu'il n'y a rien. Mais Boudon, il y a quelques années, un il fait que euh, à Perfrance, on a une conférence de presse, des de, de position, des Wahaki, mais tu ne les vois même pas. Et puis, franchement, c'est la démobilisation totale. Hein? Ah, ah, tu as deux mots à dire. Non, man, il faut que m'attende tout le parce que vraiment. Euh, euh, je ne suis pas en phase avec euh, le procès, surtout le procès de, de, de Khali. APR, ou bien dans toute organisation, il y en a qui communiquent, il y en a qui font autre chose, genre sur le terrain. Hier, on était sur le terrain avec les responsables. Pas plus tard. Et beaucoup de responsables. Et pour faire quoi Mais pour Wartan, avec nos compatriotes, les rassurer, les mobiliser et surtout les sensibiliser sur la situation. Et, qu'est-ce qu'ils vous ont dit par rapport à votre. Non, euh, non je ne fais pas de faire le compte rendu de ce, de qu'ils nous ont dit. Mais on a une considération pour la presse d'ici et d'ailleurs non je ne pense pas. non je ma pense rek man joxuma la dara joxuma dara si la da ngeen et à la limite bu ñu ñëwé fi di ay messages au-delà de la visibilité qu'on peut avoir c'est pour la nation tout entière D'où la vision du président de défendre son bilan ci situation Chambi les cadres def nañ un communiqué le coordinateur tala Daf def na communiqué. Ah où c'est bon? mais oui où où def na un communiqué c'est publié où. et qu'est-ce qu'il dit dans ce communiqué mais en tout cas. Pardon Qu'est-ce qu'il a dit dans, son communiqué Tala Daf ne communiqué Non, il, il, a, il a fait un communiqué. Il a, il et Tala, Tala, au nom de la DSC, e, uh-huh. a fait un communiqué. Mais où, ah Quelle plateforme mais, mais, euh, sur quelle plateforme en réalité, Emile, euh, euh, si Khalid te pose cette question, parce que parce que clairement a dit aux gens, en tout cas nous c'est ce qu'on nous a rapporté, a dit que désormais nous doit publier sur nos plateformes parce que nous est critiqué. Mais évidemment qu'on va non. Non, mais, non. question. Emile, euh, pour quelle raison En tout cas, il est libre de le faire. Hein? Mais imagine que es ça fait plus de 12 ans maintenant, ou plus, hein, parce que nous n'est une opposition, que l'Union Si aujourd'hui, euh, euh, euh vous, DSE, nest pas, s'autorise à aller publier le communiqué dans un site dakarois, mu mais c'est parce que am lu ko expliqué tu es d'accord avec moi mais c'est là mais c'est là euh, c'est là, loolu sax loolu bett xam la courant de tout xam nga ñun lu bëri la ñu xam mais xam nga c'est là, loolu si la loolu xam nga ma dérange pas franchement dérangez wu ñu dama parce que ah, Macky Sall Macky Sall leur mentor ñëw na fi dem jëli Californie Sall bi ko doon saagan nday tous les jours yo xaali waa bay bàyyi leen ma ma wax sama xalaat parce que il faudrait pas non plus euh, qu'on pense que nous hmm. on a à la limite quelque chose contre la presse d'ici ou ailleurs. non, non, loin de là. Non, mais si, eh, ah non pas bimanyo manière. Non, mais eh, bimanyo dans ce contexte actuel comment on critiquer mm-hmm. mm-hmm. un appel à l'opinion nationale et internationale quel que soit ce que vous allez me dire le plus important c'est que je ne bëgg a wax. Mhm. li ma na ma wax li ñuy def mhm. ma importe le reste ndax de dina nangu de nangu de ou pas c'est pas ça qui importe parce que je ne m'adresse pas à eux je m'adresse à l'opinion et cette position tu peux être sûr et certain que nos responsables ont la même posture maintenant moi, ma ma critique tey ma mère wax des commentaires. mais le but de tout politique c'est que vous devez en communiquer l'ensemble des médias mon ko reprendre pas loolu boo ko mais boo publier am nga sa am nga sa public ban intérêt la ñu am def communiqué. ne envoyé réseau news duma ko envoyé info vous vous avez cette intelligence politique. ensuite ensuite. Ensuite, quoi qu'on puisse dire. Vous êtes jeune, mais vous avez il faut exprimer une reconnaissance. C'est que vous, vous êtes jeune, il faut exprimer quand même euh, il faut quand même reconnaître une chose, quoi qu'on puisse dire. Man, je recommencer politique. Je sais qu'à travers les médias, j'ai réussi à faire passer des messages de Paris à Dakar. Grâce à qui Grâce à vous. Nous banko, nous Je pense qu'entre les acteurs politiques et la presse, nous devons avoir un dialogue fécond et constructif. dans ce contexte, le mot dialogue, il faut le laisser. Hein. Après. Mais le dialogue de Makobaï, parce que c'est dans le dialogue. <laughs> Même le Nuit dans le Dialogue. Moi, je